Aujourd'hui, c'est juste le démarrage. On a, on a, fait une phase de sensibilisation. Nous pris un mois. Aujourd'hui, c'est notre premier rassemblement pour montrer à la population, pour montrer aux autorités que nous ne sommes pas d'accord avec ces soldats. À partir de ce moment, on sera debout, on sera visible pour montrer à toute la, population sénégalaise que nous ne sommes pas d'accord avec ces soldats. C'est le soir. Mais il faut, préciser une chose. Jamais le conseil n'a signé Jamais. Ça, je le réitère. le conseil n'a jamais voté. Euh, information comme ça. Tout le monde dit que c'est du faux, parce que c'est des autorités. Ils ont engagé la responsabilité du Conseil. Mais devant eux, devant l'État, c'est montre que euh, euh, jamais le Conseil n'a respecté ce contrat et jamais nous allons reconnaître ce C'est un pont qui a devant, devant la population sénégalaise, devant les citoyens. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre, euh, pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour montrer qu'il y a du faux derrière ce projet qui est l'assemblage. Nous sommes là Le combat n'est pas La précision et le taille parce que par moment, si les gens ne sont pas en mesure d'apporter des réponses par rapport véritablement au débat que nous posons, ils ont, toujours l'habitude de passer le politique. Mais ça, nous le, nous rejetons complètement. Cela dit, si aujourd'hui nous avons organisé ce rassemblement, c'est parce que tout simplement, parmi, depuis 2008, date du projet de la santé n'a jamais été d'accord par rapport à la santé. Jusqu'à aujourd'hui, en 2017, parti n'est pas d'accord par rapport à la santé. Et jusqu'en 2079, parti ne sera jamais d'accord par rapport à la santé. Donc, il y a une certaine constance par rapport à la position de la population. Malheureusement, notre élu local, c'est lui qui devait défendre les intérêts de la population, malheureusement a changé de discours justifie la signature du protocole dont vous êtes, vous, les jeunes témoins. Nous n'entendons que des déclarations d'intention. Rien de complet absolument rien du tout. Aujourd'hui, où ils devaient véritablement, avant tout, se concerter avec les populations, ils ne l'ont pas fait. Ils sont en train de persister dans leur projet sinistre de corruption. Ils se basent par rapport au niveau de, du protocole qu'ils ont signé. Ils sont en train pas plus tard qu'aujourd'hui, d'essayer véritablement de prendre les femmes qui travaillent à en les proposant, les promettant des trucs illusoires. C'est ce que nous disons au président de la République. C'est que nous voulons qu'il respecte sa constitution. Nous voulons qu'il respecte les lois qu'il a lui-même éditées. En réalité, la constitution nouvellement votée nous donne le droit à un environnement sain. L'article L13 du Code de l'environnement nous donne droit à un environnement sain les conventions de la Banque mondiale en l'espèce nous donnent droit à un environnement sain. Et tout cela a été véritablement par le président de la République. Je rappelle tout juste qu'au niveau du code pénal, on définit le, code, le délinquant comme celui véritablement qui a violé une infraction. C'est lui qui ne sait pas véritablement basé sur ce que la loi dit en l'espèce. Un fumeur de chambre indien a commis un délit, c'est un délinquant. Au même titre également, le président de la République, l'État du Sénégal, le maire véritablement, qui aujourd'hui ont outrepassé les dispositions constitutionnelles et juridiques, peuvent être considérés comme des délinquants. Parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté la loi. Le seul qui respecte la loi est un délinquant. Merci. Merci d'abord Est-ce que ça va est-ce que ça va Merci Barnier. Merci Barnier, merci aux téléspectateurs de l'extérieur. Maintenant, sans tarder, parce qu'Amadou Diop, 19 heures de l'heure et tout le monde doit parler. On va introduire quelqu'un que tout le monde connaît. Il c'est battu. Marcel il a parcouru le Sénégal, il a parcouru l'Afrique et il a parcouru le monde. L'OPNAC pour défendre l'intérêt des peuples l'un des sens yi nga xamante et tous les temps on les piétine comme tey une ñoo bari je vous nomme nag le représentant de Yanamar, a monsieur Fadel. voilà merci. nii nii merci. du charbon. Yanamar. Yanamar. Non au charbon. Yanamar. Yanamar. Bardi dit non. Merci. maa ngi leen di nuyu beneen yoon fii ñu taxaw tey du ñu fi ay diir ci ginnaaw fii lañu dajee woon def benn lu ñu doon woowee ci jamono wax ak sa maire boobu maire bi fi nekkoon maar la tudd esprit bernier ak suñu civil bi ñoom grand bel ko xoteel bu ñu taxawee fii maire boobu ñëwul woon mais ki ñu fal tey boobu dafa àndoon ak ñun ñu toog fii ñu waxtaan ñu jëlee engagement bokkoon na ci engagement yi ñu centrale charbon bi du fi am yéen tey waa Bargny kooku ngeen wóolu woon ak li mu waxoon ak lu ñu digee woon fan lañ ci toll. dafa mel ni dañ koy daasalaat moom ak ñi koy def loo moom ak ñi koy def loo parce que aussi dafa métti dafa métti trop dafa métti à chaque fois ñu góor ñu fal ku ñu fal nga fàtte ñu ku ñu fal nga war ñu mais li gën a métti ci loolu mooy tey Bargny bu fekkee ne dañu bëgg a defar ngir ñu lu jëriñ Bargny ndax tey ay këriñ lañ leen di jox ndax ni lu mu gën a soxla ndax du dund gu baax ak géejam gi bari lu mu gën a lu dul ay doomam mool yi ñu jot ci seen géej mun ci napp dundee ak jaay dundal bari lu mu gën a soxla du nag noyyi noyyi bu baax bu fekkee nguur mun bu feebaree bu nu ko faj ñun bu ñu feebaree ndax suñu nguur dinañu faj ndax ñun suñu xiifee suñu nguur dina fexe ba am lu ñu lekk lu doy ndax ñun suñuy doom suñu bëggee jàng ndax ñu am fu ñu jàngee ndax suñuy ndaw bu ñu bëggee liggéey am nañu fu ñu liggéeyee léegi amuñu loolu lépp duñ ko lijjanti loolu ba pare danañ jël manqué. Barke amul